auditeurs du studio Kalangou, vous êtes en direct sur les zones de nos radios partenaires pour suivre notre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Top Draman en compagnie de Salamotu Kadri. Bonjour Sali, comment tu vas ce matin Super cool Ruki. Et de ton côté Ça va très bien, Sali. Alors, quelles sont les nouvelles ce matin, Comme d'habitude, Sally, nous allons débuter avec le flash d'information. Notre invité du jour est Issa Kaboubakar Nassirou. Il est styliste et promoteur de IBN Design vous allez apprécier une sélection musicale 100% nigérienne. Dans la rubrique Écho des régions, nous irons à Dosso, plus précisément à Gaïa. Dans la rubrique Loti, la rubrique Loti sera au rendez-vous avec les femmes du studio Kalangu à la technique Abdulkaderi, Abdulkader Chombiano et à l'édition Adama Dawaki. Fidèles auditeurs, comme annoncé, c'est le flash d'information que nous allons commencer avec euh, Rafika Attaher. Bonjour Rafika. Bonjour Ruki, comment tu vas Très bien, alors quelles sont les nouvelles eh bien, aujourd'hui 20 juin, le monde célèbre la journée internationale du réfugié. Le thème choisi est de l'espoir loin de chez soi. Il y a aujourd'hui près de 100 millions de personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer. À cela s'ajoute un discours hostile à leur égard. Cette journée est l'occasion de favoriser une meilleure compréhension et une plus grande empathie sur le sort des réfugiés et d'attirer l'attention sur le devenir des personnes qui fuient les conflits ou les persécutions. Instituée par les Nations Unies pour rendre hommage aux réfugiés à travers le monde, cette journée met met en lumière la force et le courage des personnes qui ont été forcées de fuir leur pays pour échapper aux conflits ou aux persécutions. Ensuite, euh, et dans une déclaration du ministre de l'Intérieur, Hamadou Adamousouley, hier en prélude de la commémoration de cette journée mondiale du réfugié, il ressort que le Niger a été choisi comme l'un des six pays coparrains du prochain Forum mondial sur les réfugiés prévu à Genève en Suisse en décembre 2023 en raison des bonnes dispositions qu'il a prises pour l'accueil des réfugiés et du modèle qu'il représente dans leur prise en charge. Ce forum organisé tous les quatre est un événement particulièrement important pour inspirer l'ensemble des parties prenantes et assurer une meilleure répartition des charges et des responsabilités selon le ministre de l'Intérieur. Il est aussi une occasion supplémentaire pour valoriser les efforts du Niger, partager ses bonnes pratiques avec les autres pays et solliciter le soutien des partenaires de la prise en charge des réfugiés. Pour rappel, le Niger accueille actuellement près de 300 000 réfugiés en provenance des pays voisins comme le Nigeria, le Mali et le Burkina Faso, en proie à une situation sécuritaire volatile et l'insécurité enregistrée au niveau de certaines des frontières aussi provoqué le déplacement forcé de près de 350 000 Nigériens. Enfin, dans ce flash, la Banque mondiale a présenté hier 19 juin à Niamey son rapport 2022 de mise à jour de la situation économique du Niger. Il ressort de ce rapport que la croissance du PIB a atteint 11,9% en 2022, soutenue par une bonne production agricole, ce qui a entraîné un accroissement du PIB par habitant de 7,5% et une réduction de 6,4 points euh, de pourcentage du taux d'extrême pauvreté. En conséquence, le nombre de personnes dans l'extrême pauvreté a reculé de 13,5 à 12,3 millions. Le représentant résident de la Banque mondiale au Niger, M. Hans Frater, rappelle que le Niger, comme de nombreux autres pays du continent, fait face à des crises aux impacts socio-économiques sévères et ajoute que les perspectives économiques indiquent le maintien, d'une croissance soutenue en 2023 et à moyen terme. C'est tout pour ce flash rookie. Merci Rafika pour toutes ces informations. Pour rappel, notre invité est Issa Kaboubakar Nassirou, il est styliste et promoteur de IBN Design. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Nassirou. Mais avant d'entamer notre discussion, écoutons le morceau Gaïda de l'orchestre international. san da matta farko C'est est le titre que vous êtes en train d'écouter de l'orchestre Tal National. Une formation musicale du Niger, elle regroupe plusieurs chanteurs et instrumentalistes. Ruki, dans ce morceau, Tal National fait des louanges des de retour avec notre invité Isaac Boubacar Nassirou. Bonjour Nassirou. Bonjour, bonjour. Et dites-nous qui vous êtes et racontez-nous un peu votre parcours. Euh, je m'appelle Isaac Boubacar Nassirou, styliste, euh, modéliste, spécialisé dans la coupe d'hommes, qui était notre euh, apprentissage de base. Mais quand même, avec l'évolution, on fait aussi pour des femmes essentiellement des chemises ou des tuniques. Mhm. Voilà. Je, suis juriste et gestionnaire des ressources humaines de formation. Mhm. Voilà. Après mes études, euh, j'ai décidé d'ouvrir mon atelier de couture après des stages. Bon, pour après des stages. Et comment vous êtes parvenu à créer IBN, IBN Design, Design. Ouais. Bon, il faut dire que j'ai depuis toujours évolué dans le monde de la couture. Pour rappel, mon père est un tailleur. Mhm. Pendant les vacances ou les week-ends, j'ai parti dans son atelier apprendre la couture. Mhm. Mais après mes études, j'ai décidé de faire de cette passion ma profession. Mhm. Voilà. Et comment vous avez créé euh, euh, cet atelier-là Vous avez, euh, comment est-ce qu'on appelle, réuni des amis ou comment Racontez-nous. Non, non, ce pas des amis. Mhm. Après mes études, à la fin de mon, de mon diplôme, j'ai acheté une machine. J'ai commencé dans ma chambre mhm. à coudre des chemises, éventuellement à vendre par les bouches et oreilles et sur les réseaux sociaux. Mhm. Un an après, j'ai ouvert mon atelier, j'ai pris un apprenti un ouvrier pour commencer. Et à la date d'aujourd'hui, on a plusieurs ouvriers. Mhm. Et vous confectionnez quel genre de chemise Des chemises essentiellement traditionnelles, mhm. inspirées des pagnes du Niger. On a commencé, puis maintenant on est ouvert sur des tenues et tissus africains. Mhm. Voilà. Et vous vous intéressez à la couture femme Oui, femme, on est, mais on fait ça essentiellement sur commande. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait pour femme sur commande, comme on est spécialisé dans la coupe d'hommes on fait sur commande pour les femmes pour l'instant. Hmm. Et pour les enfants Pour les enfants, on fait aussi. C'est disponible de prêt à porter. Uniquement des chemises, des robes Des chemises et des tuniques. Des chemises et des tuniques, ensemble boubou, pantalon. Oui. Et vous employez combien de personnes Six personnes et des, des stagiaires qui apprennent avec nous. Ok, d'accord. Et maintenant, vous, venez de nous dire que vous êtes diplômé. Oui. Et maintenant, comment vous arrivez à joindre les deux bouts euh, Non, j'ai d'abord été juriste pendant 2010 à 2016 à la FCEJ, à l'université d'Abdou Moumouni. Et parallèlement, je suivais aussi une formation dans un institut de la place là en management des ressources humaines. À la fin de mes études, après l'obtention de mes diplômes, j'ai fait six mois, je pense bien exactement, six mois de stage à, dans une banque de la place. Pendant mon stage, j'ai décidé de ne pas poursuivre une carrière professionnelle salariale, mais d'ouvrir mon entreprise, être un entrepreneur. Ah, vous avez dit que ça ne marche pas, vaut mieux laisser. Non, j'étais pas trop à l'aise. L'idée de travailler, non pas pour quelqu'un, mais je voulais entreprendre pour l'essentiel. Mhm. C'était ça ma motivation. Merci Nassirou. Nous allons en venir pour d'autres questions après cette pause musicale. Nous allons retrouver Rap de Guillotine. le groupe est créé en 99, composé de trois membres. Le groupe est titulaire de trois opus, de deux opus qui sorti en 2017, en 2007 et Hinahina paru en 2009. venez de nous capter, nous sommes sur l'émission Le Niger sur Kalangou. Nous sommes avec notre invité pour la deuxième partie de notre discussion, Nassirou. Vous avez aimé ce morceau que vous venez d'écouter Oui, bon, on a écouté ça étant jeune, hein. <laughs> tout ce qu'il fait. Donc. C'est super. C'est un rappel. Alors, Nassirou, comment vous avez financé cet atelier Cet atelier, je l'ai financé avec mes propres fonds il faut le dire. Comme je l'ai dit tantôt, je commencé avec une seule machine pendant toute une année. Ensuite, avec les éventuels bénéfices qu'on a eu j'ai acheté une seconde machine, puis encore pour ouvrir l'atelier en tant que tel. Donc, euh, c'est ce fonds propre qu'on a créé la marque. Mhm. Et nature nous savons que euh, que nous savons tous que la concurrence est rude hein, parce que beaucoup de jeunes s'intéressent à la couture. Alors comment vous faites pour vous démarquer Est-ce que vous avez une particularité Comment vous faites non, notre particularité est essentiellement, comme je l'ai dit, nos tenues qui sont à la base des pagnes traditionnelles nigériennes. On fait des chemises. Mhm. Voilà. On a il y a certes des concurrents, mais on n'en a pas assez ou bien pour beaucoup de concurrents. On ne démarque pas nos tenues qui sont traditionnelles. C'est des chemises qu'on fait et c'est des prêts à porter. Mhm. Ce n'est pas seulement un atelier de couture, c'est une marque qu'on a eu volonté de créer, une marque, avec l'idée de vendre des prêts à porter. Mhm. Voilà. Vous avez beaucoup de clients Oui, on a des clients essentiels parce que ça fait déjà aujourd'hui, de 2017 à aujourd'hui, on tient encore, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut, comment reconnaître une chemise de IBL reconnaître, oui, bon, on a commencé avec une volonté au début de mettre le logo même de la marque sur les chemises. Éventuellement, il y avait des clients qui étaient réticents pour porter la marque elle-même en tant que telle. Mais on reconnaît nos tenues avec des croix d'Agadez, des croix des Anders et des cartes d'Afrique. Tu vois, même sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram qu'on utilise pour l'essentiel, nos tenues ont cette particularité. Mhm. C'est des dessins brodés, la croix d'Agadez, la croix des Anders et la, croix, et la carte d'Afrique sont brodés sur les chemises qu'on propose aux clients. Dans ce cas, moi, je, prenons l'exemple, est-ce qu'on peut les différencier Parce que maintenant, je peux aller prendre, dessiner aussi la croix d'Agadez, broder et porter. Maintenant, comment faire la différence quoi La différence Oui, par rapport au fil, à tu suis Non, il y a toujours une étiquette sur nos chemises. À l'arrière de nos chemises, il y a toujours une étiquette avec euh, les logos de la marque et des informations pour contacter éventuellement avoir les produits. Dans ce cas, il suffit juste de regarder le derrière de la de la chemise, voilà. on a les numéros à contacter. Et maintenant, quelles sont les difficultés auxquelles euh, vous faites face maintenant Les difficultés, c'est essentiellement, je vais dire, pour se procurer des des tissus de qualité, il faut le dire. Et aussi, souvent, on est face à des ruptures de pagnes, comme on dit là. Les pagnes traditionnelles, tu peux en acheter, tu retournes dans une semaine, le fournisseur va te dire que c'est en rupture, il faut attendre un mois pour qu'il puisse s'en procurer lui-même. Et maintenant, les pagnes traditionnelles, on ne peut pas avoir ça au marché ou bien il y a un endroit exceptionnel Oui, oui, on peut avoir au marché, mais souvent il y a des ruptures parce qu'on a, on choisit des, des tissus d'une qualité. Il y a d'autres que tu peux trouver au marché, mais si tu mélanges avec des tissus, les clients peuvent revenir avec te dire ça déteint sur le tissu. Mhm. C'est pas de la qualité. Donc, on a un fournisseur spécial auprès de qui mhm. on achète. Et, et, les tissus que vous utilisez, ils proviennent d'où De quel pays Les tissus, pour les tissus, on, on, on achète ça au Nigeria. Mhm. Pour l'essentiel, on achète en gros au Nigeria pour les tissus. Mhm. Et comment arrivez-vous à écouler vos stocks Vous produisez, euh, en dehors des commandes, vous produisez, vous entassez, vous entassez Oui, on produit des il y a déjà des prêts-à-porter en plusieurs tailles. Mhm. Voilà, pour au, moins se varier. Et on a une, boutique. Après l'atelier, on a eu l'idée d'ouvrir une boutique pour exposer les produits. Voilà. Et aussi, euh, une page Facebook et Instagram pour partager et publier chaque nouvelle production. Mhm. Mhm. Et quels sont, comment ce qu'on appelle, quel appel vous avez à lancer aux jeunes, par exemple, qui sont désœuvrés Désœuvrés. Qui ne travaillent pas. Non, oui, bon, il y a ça aussi, il y a beaucoup, par exemple, on a des amis ou des frères, des petits frères, Mhm. qui ont étudié puis qui sont toujours dans l'attente d'avoir un travail. Au lieu d'apprendre euh, des travaux manuels mhm. pour subvenir à leurs besoins, ils sont toujours assis à attendre. Donc le conseil, c'est de vraiment apprendre un métier mhm. pour pouvoir au moins commencer à faire quelque chose. Nous vous remercions, d'avoir honoré notre invitation merci, et à pour bientôt. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Salut, de quoi allons-nous parler dans la rubrique hebdo d'aujourd'hui nous allons parler de Nomaruki, une maladie buccodentaire qui s'attaque aux enfants et très rarement aux adultes. Si la maladie n'est pas vite prise en charge, elle peut conduire à la mutilation du visage du patient. Plus d'explications avec euh, Dr Asumana Bay, coordonnateur national du programme national de lutte contre les maladies bucco et le Noma. Il est interrogé par Zainab Abdou Docteur, qu'est-ce que le Noma Le Noma, c'est une maladie qui attaquent les enfants, surtout les enfants de 2 à 4 ans et qui évolue rapidement en une semaine, une semaine à 10 jours et qui se caractérise par un taux de létalité de 70 à 90 Autrement dit, s'il attaque un enfant en une semaine, 10 jours maximum, soit il tue la personne, soit il défigure la personne. Et il peut arriver que cette maladie attaque des adultes mais dans ces cas, ça trouverait que l'adulte a, a, un problème, un déficit immunitaire. Quels sont les symptômes de cette maladie La maladie du noma commence d'abord par une gingivite de manière générale, donc saignement gingival, des plaies au niveau de la gencive, une hypersalivation et, et surtout une haleine fétide. Voilà les premiers signes de la maladie du noma. Et si rien n'est fait en 24 heures, il y a une inflammation qui va s'installer en regard des plaies de la gencive. C'est la deuxième phase de la maladie. Si rien n'est fait dans les 48 heures, l'inflammation va évoluer, durcir et un liséré blanc va apparaître pour montrer, pour délimiter la future perte de substance. C'est la phase, la phase 3 de l'évolution de la maladie. À ce niveau, il est important de souligner que les efforts du ministère de la Santé, c'est pour que l'enfant n'arrive pas à la troisième phase, parce qu'arriver à la troisième phase, il y a seulement deux options possibles. Soit l'enfant décède, soit il s'en sort mutilé. Alors que les deux premières phases, on peut faire avorter l'évolution de la maladie. Comment se fait la prise en charge du noma Chaque phase avec sa prise en charge. La première phase, c'est avec de l'eau tiède salée, un bain de bouche avec de l'eau tiède salée et on réfère, l'enfant dans le structure de santé. La deuxième phase, en plus du bain de bouche, on peut ajouter un antibiotique. Et la troisième phase, pratiquement, c'est de mettre l'antibiothérapie et d'attendre d'abord la chute de l'escar pour éventuellement envisager une prise en charge chirurgicale. Et comment se protéger du noma Avant de dire comment se protéger du noma, il faut d'abord savoir quels sont les facteurs favorisant le noma. Les facteurs favorisants, c'est d'abord une mauvaise hygiène bucco Tous les enfants qui ont une mauvaise hygiène bucco tous les enfants qui sont soumis à des conditions de vie difficiles, et les enfants dont le calendrier vaccinal n'est pas respecté, et des enfants malnutris, tous ces enfants sont des enfants qui peuvent développer le noma. Maintenant, comment éviter la maladie D'abord, la première prévention passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. Ensuite, maintenant, que l'enfant ait une alimentation équilibrée et que ça trouve aussi que l'enfant, n'est-ce pas, a respecté le calendrier vaccinal. Voilà un peu l'essentiel pour la prévention du noma. Le noma est-elle une maladie contagieuse ou héréditaire euh, Non, le maladie n'est ni héréditaire ni contagieuse. Et pour qu'il y ait noma aussi, il faut que l'enfant ait des dents. C'est-à-dire tout enfant ou toute personne qui n'a pas de dents ne peut pas développer le noma. Merci Zainab Saïdou pour cet entretien riche en informations. Fidèles auditeurs, nous allons encore marquer une pause pour souffler en musique avant de retrouver notre rubrique reportage des régions. Écoutons Abdoulaye Halidou Meyizo alias John Sofa Il nous chante ici le morceau Sofa Kapaigazima beroche, amakaka mare bango

kalai kalai di be na nyalo oi be na nyalo kalai di Kolei d'Abdoulaye Halidou est inspiré d'une légende locale pour composer son titre phare Soufa Kolei, le nom d'une mare de la région de, la ville de Dosso. Il s'agit en fait, de l'histoire de deux mares de la ville, Sofa Kolei et Fadam Bongo, dont selon la légende, leurs eaux ne doivent jamais se mélanger sous peine de catastrophes mystiques, du fait que ces mares sont habitées par des génies opposés barandi jar saka sai C'était le son Sofa Kolei de l'artiste Abdoulaye Halidou alias John Sofa Kolei. Fidèles auditeurs, dans la rubrique Écho des régions, nous allons dans la commune de Tanda, département de Gaïa, où de nombreuses femmes font face à des difficultés pour écouler leurs produits. La cause, l'insécurité qui règne dans la ville voisine de Karimama, située au Bénin. Dans ce reportage de Fadel Alou, nous allons voir les obstacles rencontrés par ces femmes et leur lutte pour trouver des solutions durables à cette situation. Les femmes de la commune de Tonda mènent des activités variées, que ce soit en période sèche ou hivernale. Des produits qui sont destinés à la consommation de la famille, mais surtout à la vente fatauci kulu bogate i henida i kwalkwatida i dansida i dunguida kaidiya wate jewa wate i banda ka suyan duma saladiyan igai kuluda igai gisuna imaniya yai manwa dabo harakatunu maniya kate Ces activités sont essentielles pour leur famille. En effet, les revenus issus de la vente de leur production permettent aux femmes de subvenir aux besoins de leur famille, notamment pour la scolarisation de leurs enfants et pour l'accès aux soins de santé. Il faut cependant noter que les femmes de Tanda font actuellement face à des difficultés majeures pour vendre leurs produits. La route qui relie Tanda à Karimama au Bénin est devenue très dangereuse en raison de l'insécurité. Les femmes déplorent des cas de braquage. in sudu san kufa a kan jina ando nza wayan ma hawya de dan te samu nan alo mo makanga ya yi gota bi fa wallahi go gota bi wai go gota bi wallahi ila kal wallahi si kanante igwo gwe dai no kai kwe bani kai igwe ndi kwa ya igwo gwe dai no la kal kanai wallasi Allah nan kan buwe yan sa kuli go kai za kwai no he banda man no buwe de la kal kanai do wallahi kan yan kwanda di in ni kai za kan da ni he mi to binadin ga ncin da ba mu kakan gau lakal tune mana tenodi ila kal sino kan wala dans ce contexte Quelles sont les alternatives que peuvent adopter les femmes de Tanda pour vendre leurs produits malgré les risques encourus ah, so, nodin su ne so nodin kala haibuye ba haibuye bun boy go kangai bon kwandai no ka go kwayadin bina sandai bon oh so dai kala dai ban kan kwai buye sai malabil he da ba bwa makwai dan di a kanda wo kan me akanda an gade nan da zama ya boy wo an foy ma kya mon go dai an foy ya boy ma kya te ya dai to ben wo kan me ikanda an gade no boy da a foy ma kanda i han na foy mo Kanda i hannu da ka nga nu, mai jaka ne ya da ne zangu a ganga da lawaika yadi yadi no mai jakul ka ne ka da nan gano ka kadunu mo kadan wano kanansi Il faut souligner que les femmes de la commune de Tanda font preuve d'un courage admirable. Malgré les risques encourus, elles continuent d'exercer leurs activités pour subvenir aux besoins de leur famille. Elles souhaitent voir un jour la modernisation du marché du village avec plus de clients. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production c'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassumi Gourouza. Gourouza, bonjour. Euh, bonjour Salamatou, bonjour Rocky. Bonjour. Parle-nous de la lutte traditionnelle. Oui, c'est le sport roi au Niger. Et quand on organise une compétition de lutte, un monde de fous se déplace dans les arènes. C'est un sport euh, qui est organisé périodiquement et ça entrave souvent la performance des lutteurs. Et c'est sur ce point que Kadri Salamatou a demandé à un ancien journaliste sportif du Niger, Issoufou Kodo, il est spécialiste également de la lutte traditionnelle, consultant à la fin lutte. Nous l'écoutons. Et vous avez vu, on a besoin de compétition. Un sportif sans compétition n'est pas un. Faites euh, la différence en 1er janvier ou au mois de, juin. Six mois sans compétition, ça arrange qui Eh bien, ça n'arrange pas et les lutteurs, et les organisateurs, et les amateurs de la lutte. donc, euh, euh, ce tournoi qui regroupe que 16 lutteurs, je dis bien 16 lutteurs, regardez le nombre de lutteurs que nous avons, 16 lutteurs pour venir en compétition pendant trois jours qu'on appelle VSD, vendredi, samedi, dimanche. Vous avez peut-être à peine trois combats pour gagner cette coupe. Voilà l'aspect, je, je vois à mon humble avis que c'est trop, trop, trop, trop court pour une compétition. Et le temps, l'intervalle, hein, est vraiment, c'est assez important. Je vous disais tout à l'heure, plus de six mois pour venir faire une Hein. En un an, combien de compétitions va-t-on faire et donc c'est un tournoi qui, on voit hein, un peu sur le plan technique la fraîcheur physique de certains lutteurs qui sont vraiment intéressés. Quand tu vois Isaac Isaka, hein, il n'y a pas une rupture euh, comparativement aux lutteurs de lutte que vous avez vu, surtout après, après le combat, il s'est écroulé et il y a des lutteurs qui ne peuvent pas tenir. Bientôt les grandes vacances et les quartiers se préparent pour les TGV, n'est-ce pas Gourouza Oui, Ruki, les tournois des grandes vacances se préparent activement. Déjà, les comités d'organisation sont installés dans plusieurs disciplines un peu partout. Si le football occupe la grande partie de ces tournois, comme exemple avec le TGV de Yantala, l'un des premiers à Niami, Il y a aussi ceux de Lazare et de Harobanda dans la capitale. Le taekwondo avec sa coupe Mamacho Coupe et celle de Chambiano, la Coupe Alphaga. Bref, les clubs, en collaboration avec la Fédération des Jeunes de taekwondo, entend mettre euh, les bouchées doubles pour émerveiller le public tout au long de ses vacances. Ce tournoi de vacances euh, se déroule tant en Yamé qu'à l'intérieur du pays. Et pourquoi les TGV Ah oui, c'est une bonne question. C'est un cadre de regroupement des jeunes pendant les vacances après les études il faut se défouler un peu autour d'une activité sportive. Euh, cela permet le brassage entre les quartiers d'abord, mais aussi il permet de, la découverte d'autres talents car beaucoup de clubs sillonnent ces tournois pour recruter de nouvelles têtes. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Guruza. À présent, notre portrait et nous allons à la rencontre de Ibrahim Aboubakar, marié et âgé de 33 ans. Il habite le quartier de Nordir, le quartier de dans le 5e arrondissement de Niamey. Il a fréquenté l'école coranique avant de se lancer dans le gardiennage pour les sociétés privées. Après quelques années en exode où il a appris le métier de gardiennage, à son retour au pays, Ibrahim Boubacar a continué ce travail. Notre reporter Omar Hama est parti à sa rencontre pour son portrait. Eh, ibadan fa hannden ɗo ley niger ɗo mi waɗi ɗum compagnie oɗo e e ɗumanin rompoy sixiéme to ma mi gardake e ɗumanin pharmacie premiére arobanda ɗon bo bo mi gardake duuɓi foti gaɗɗa e nder gollal ngal na duuɓi foti poɗɗirɗa ngal to ilul 2018 ni puɗɗumi gam kan no mi janganno dande qur'ana inchallahu Eh. Mm, ko waɗi cuɓiɗa gollal ngal domal ɓaade to wallahi ko waɗi cuɓi mingal ni woni rafi yano hande basi ni onorema no hana ko gasi ko ittata e demol a yi a ruma aɗa rema ngara kasinda aɗa eta ayi ɗon kay donc so heɓi irni e sai ta takkoɗa bawa dabare keɓa no burirɗa allah. E inchallah ɗiɗo suddana hoore asiri fande muɗum yaade leyɗe janane en niya dema wuro muɗum ɗo so allah honani ɗum gollal ngal nangi walillahi alhamdu heɓa no wuriri ley sewo inchallah eyi to ibrahima nder gollal fuu neɗɗo heppata caɗaale aɗa waawi fammininimɓe caɗaale iri heen mbowɗa yiide nder gollal ngal na ko keɓɗa nder maggal to hano caɗaale ko won ley gollal ngal ni woni niɗɗo so waɗa mbaɗɗuni endal e piidudegom niɗon woni no hawji e goɗɗo ɗo se wawa muñal gan noon ni lettere kandu no waɗete ko naawi kamɗo on waɗan humɓe amma kan on seni no filo fu no wawi muñude fa ñande allah ni ɗum no waɗi to noddoral ngal gatta e sukaɓe ummatore bandiraɓe men ɓe ngala golle wala jawabu wawi ni waɗude go'o kay fuu niɗɗo hinno e jande si jande modibo en heɓaki hinno e lokkol on gonga e gonga jogo gonga e gonga gam ko heewi hana no tabbitan no wiide ke no heɓan ampani jande muɗum woɓɓe amma yi joom min mi jangi qur'ana amma yi ley mum joom allah yiɗi e jaaɓi ne ɗon waɗa golle laatiɗe to ba jannguɗo école ɓura kam no wawi mi firta français so mi haaldama mi nototo fuule dawol dawol ni waɗi ɗum Merci Omar Hamma pour ce beau reportage. Faisons un dernier tour musical pour écouter Maïgada Touré de l'artiste Yakuba Moumouni Denke Denke. du monde entier, plus précisément ou bien spécialement notre rédacteur en chef à l'Assemblée. Yakuba Le titre, c'était Maïga Datsure. Passons présent à notre rubrique Lotti, présentée par les femmes du studio Kalangu. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'utilisation des somnifères par certains parents sur leurs enfants. En effet, Sally, certaines mères, pour pouvoir travailler ou vaquer à d'autres occupations, donnent des somnifères à leurs enfants pour les endormir. La prise des somnifères paraît efficace dans un premier temps, mais sur le long terme, les risques sont nombreux. Écoutons Rachia Arimi, Mariam Adey et Samira Rouafi. Hey! yanzu dai aiki ya kare bari in zo in tahi gida in huta gobe na san dai abun zai yi mana wuya ga wannan bikin sahura sahura ta ki tado ƙaunaki mu tahi tanti tana kwana nayi nayi in tada ta amma bata tashi ba a'a kamar kaka mariya mariya to kwana fa take bata ma san ba me ake yi to na goye ta na san ta tashi gida Mama ta gida za ki tun yanzu? Mm, haka ne fa, wallahi na gaji. Zan mu je gida mu dan huta don saboda kin san gobe bikin nan. Ah, to na gane. Mariya kwana take. Na gan tun da kunka taho bata tashi ba. In jin dai lahiyar talau. Lahiyar talau kawai maganin kwana ne na bata da za mu zo don ta yi kwana in samu in yi aikin sunan nan. Kin san ya kamata a ce mun kare aikin nan kamun gobe. In ba haka ba, damuna za ta yi. amma ban sani ba ko dai na bata da yawa ne shi yasa haka duka bata tashi ba mi maganin kwana kike ba iyarki saboda kar ta dame ki wai dan Allah dan me ki aheta in kin san baki son ta kina son ki bata mata rayuwa ne haka saboda banza bata mata rayuwa kawai dan na sa ta kwana alhali ai kwana yana da kyau ga lafiyar dan adam ni ban ga ba miye yi na bata rayuwa wallahi mamata kina bani dariya baki ga ganin da kina nan ga cuta mata ki sani ba da mutum sai in bai da lahiya ne ko koya baya samun barci sannan kawai ne kamata a bashi maganin kwana ita yake ba ta barci ne a'a tana barci yadda ya kamata kuma a lokacin da ya kamata wai ina ba ta shine kawai dan ina so wai ina ba ta shine kawai in zan shiga cikin jama'a da dare wannan ban da matsala da ita amma gaskiya abin da ke gaya min yayi tsanani ai da yawaici yaran da ke kuka da dare koko waɗanda ba su saurin kwana suna hana mutanen gida su huta su ne ake ba maganin bacci aiki da maganin bacci yana da illa kwarai da gaske bisa kan lafiyar jiki ɗaukar maganin bacci abu ne da an kai hani a ba ɗan ƙasa da shekara ɗaya iyaki kuma hotanta shida ne kawai kuma ko da za a bada shi sai in likita ya amince to ni dai gaskiya har ila yau dai ban ga wani abu da ya faru da ita ba kuma kullum nike yin shi in dai zan shiga jama'a haba mamata ai in ana ɗaukan maganin bacci a cikin lokacin farko sai ki gani da babu wata matsala amma in kika zage da bata shi walla akwai hatsari da yawa da abun na ya ƙumsa. ɗaukan maganin bacci musamman in ana ba yara shi ƙwarai. hatsarin shi yi yawa da alherin da ya kamata ya kawo halima ke ma ta ki kai in ana ba yaro maganin barci kullum ni fa kawai sai in zan hita ne nike bata shi kenan kin ga bai yawa ba ni kawai sai in zan hita ne zan bata shi kenan kiga bai wallahi kina bani haushi <laughs> halima kenan dariya ma nake baki mamata baki sani ba da ba da maganin ga a ko da yaushe in abun yayi yawa yana tare da wasu haɗurra da za su zo su sa ƙwaƙwalwarta ta yi sanyi kuma ba za ta iya karatu ba yadda take so kuma in kamar kina ganin kaɗan ne kike bata shi wannan yana iya sa natsuwarta ta rage ko kin kira ta kafin ta amsa sai ta ɗan juma duk irin na abubuwa dai kuma in abun yayi yawa in ɗaukan kuma in ɗokan maganin yayi yawa sai ki ga yarinyar tana ciwon kai yawan gajiya ba ta gani da kyau ko ko ta yi ta angaje tana ganin duhu gaɓoɓin jikinta su mata ciwo haujijiya ke da sauransu dai. Duka wannan Halima abun ya yi yawa. Abin da kike haɗi mini ko gaskiya ne. Kin manta da cikin harakar kiwon lafiya nake? To gaskiya in haka ne ina ji zan bar wannan harakar. Da ya fi miki, da ya fi miki kyau. Saurara ki je, akwai wani tsari da zaki bi. da za su sa ki shawo kan wannan matsalar. In kina son yarinya ki ta yi kwana, ki ajiye ta cikin gurin da babu hayaniya ko kuma wasu yara kina ganin wanka ne ake yi musu an ka musu wanka wannan na sa nan da nan su yi kwana ya fi kina ba ta maganin bacci. Halima yanzu dai na gane ki. Kin ga dai har yanzu dai Mariya ba ta tashi da barci ba. Duk duk abin nan da kika haɗe mini ya fara ta da mini na. Na san dai ba yau da na yi niyyar barin wannan al'amarin ba zai kawo mini matsala kuma. a'a ba san ba ko zai kawo matsala kar ki damu amma da Allah ki kaga bata maganin bacci saboda abin da bai kai bai kawo ba to in Allah ya yarda zan ɗauki shawarwarinki nagode Merci aux femmes du studio Kalongo. À présent, notre euh, culture linguistique, nous recevons Gungu Mohamed Dantani qui va nous parler du mot le monde. Dunia Gungu, Soraranka Merci, Salamatu Riki, bonjour. Bonjour. To, kamar yadda kuka sani dai, salamu alaikum masu sauraro da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya, to barkamu da sake saduwa. A makon da ya shuɗe mun yi magana kan kalmar duniya mont a Faransance, inda Halimatu Isaka ta zandar ta aiko tambayar a fasara mata kalmar duniya. To, kalmar duniya kalma ce mai nuna sararin da ake ciki kuma ina iya fuskanta ta da wata rana da ake sallata a faɗin duniya misali ranar ma'aikatan duniya yanzu za mu misalta ta wannan kalmar da wasu misalai kuma na ɗaya misali mutum ya ce duniya ƙarama ce ana amfani da wannan faɗar kalmar ne kamar an mutum ya ga wani da ya sani a wani ɓangaren duniya mai nisa kuma suka gamu a wajen mai nisa cikin duniya ko wani wurin da baka tsammanin ganinsa ko kuma da ka jima rabon da ka gan shi sai kwatsam ku gamu bari mu ɗau misali a kaina ba da jimawa ba na kasance a wata ƙasa sai na gamu da wani da na sani a ƙasar ecos sai muka cewa juna kai duniya ga ƙarama ce To yanzu mu komo kan amfani da kalmar ta wata fuskar. Misali, ganin wani abu na ban mamaki ko mai ban sha'awa. Misali, ka ci abinci mai ɗan karan daɗi sai ka ce, wanga abinci ga garba don duniya ne. Kenan kunga mun ɗau kalmomi biyu da za a amfani da su ga nunin duniya ƙarama ce. Da fatan kun gamsu da fayyacin karmar duniya bisa tambayar da Halimatu Isaka daga zandar ta aiko, kuma kuna iya aiko mana tambayar ku ta wazaf kan kalmar da kuke buƙatar a fassara muku. Na gode a ci gaba da sauraron lafiya. Merci Gungu pour toutes ces précisions, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en haussa, en germain, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez surtout pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64 82 89 89 64. Eh, da farko dai ina ma studio kalangu godiya da suka yi kira na tunda studio kalangu yau tana cikin vraiment za mu ce studio wanda manya-manya wanda ni kamin ma in zo ina da labaru abubuwan da suke ma artist da taimakon da suke kawo bisa rezo sosiyo waɗansu dalilin studio kalangu yau a kasan su a kasan kwana tunda dukkan ba ka zo studio ba ka samu a san ko a san kai wane ne ko a san album kin ko uh, musikin ka wane ne kai waye koya maka Assalamu alaikum da farko dai ni ne Musa Isa na Talatu Baban Kolo a nan Difa. Ina ɗaya daga cikin masu sauraren Studio Kalangu. Studio Kalangu abin da za ka iya cewa wanda za ka iya kwatanta studio kalangu da shi gaskiya ba abu ne karami ba kuma ba abu ne wanda za ka iya cewa zai kare a yanzu ba abu ne kawai sai dai ka takaita abin da ka iya sani don istidiyo kalangu sai dai a ce allah ya allah kara musu hazaka da karhin gwiwa na farko istidiyo kalangu abin da ya birge ni a cikinsu musamman ma idan ka ji sun ce wannan wakilin su ne daga wani guri wanda labarin da za ka ji yana badawa labari ne wanda ya faru ba labari ne ba wanda shaci faɗi gaskiya nan ma ni na jinjina musu na biyun shi studio kalangu labaru su da kansu 'yan jaridunsu ba 'yan jaridu ne kame-kame ba 'yan jaridu ne wanda suka san aikinsu kuma suka iya zama da kowa a cikin rayuwar duniya kuma haka ake son aikin ɗan jarida dama ni dai abin da zan iya gai bisa studio kalangu sai dai in ce daga su da mu masu saurare da kuma manyansu ubangiji allah ya ƙara ɗaukaka gidan radio na na studio kalangu mutare basiru matashi a unguwar garmala mu gaskiya muna sauraron shirye-shirye na studio kalangu a kowane lokaci musamman ma da suke yin shirye-shirye a bisa halishi na hau guda biyar to wannan bangaren ma mutum yana iya sanin halishi saboda in ka saurari da hausa da faransanci ala sauya shi da sauran halishi na to gaskiya ma wannan abun ayaba ne kuma akwai shirye-shirye da suke irin wannan na haɗar a fada wannan shirin gaskiya mu yana ƙayatar da mu saboda musamman ma kwanan sun zo sun yi a cikin garin da magaran wanda aka halhaɗa matasa da ƙungiyoyi aka ɗauki maudu'i abin da ya shayi rayuwar matasa ina gaida abokaina irin su yahuza irin su ɗanbala da su Nous allons à présent recevoir Rafika Taher pour les, les, grands titres du journal de 17h. Rebonjour Rafika. Rebonjour Ruki, cette fois je reviens pour les titres de la grande édition. De l'espoir loin de chez soi, c'est le thème retenu cette année pour la journée mondiale du réfugié célébrée aujourd'hui. En prélude de cette journée, hier, le Niger a été choisi comme l'un des six pays coparrains du prochain forum mondial sur les réfugiés. Ensuite, des membres du Code rural de Maradi sont formés de la sécurisation des ressources financières afin de pouvoir donner des informations sûres sur la mise en œuvre de leurs activités. Et enfin, le magazine de ce va porter sur la cohabitation entre déplacés et de la population de Tilabiri. Merci Rafika. Merci Rafifi, fidèles auditeurs, merci pour votre attention, surtout pour l'émission Le Niger sur Kalangou d'aujourd'hui. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés, la technique est assurée par Abdelkader Tchembiano et à l'édition Adama Dawati. Excellente journée à vous tous, bye bye.